wa chers confrères musulmans chers condisciples mourides chers amis frères adamiques de Côte d'Ivoire je voudrais commencer mes propos par remercier d'abord en guise de salutation spirituelle à Cheikh Mohamed Muqtada Mbakkiyu Ibn Cheikh Abdul Ahad Mbakkiyu Ibn Khadim Rasoul Cheikh Ahmed Bamba et à travers sa personne je salue toute la famille de Cheikh Ahmed Bamba ici présent je voudrais aussi saluer la présence des autorités qui nous ont accueillis ici les autorités ivoiriennes de la mairie, monsieur le maire et l'ensemble des délégations officielles et les délégations universitaires et saluer son excellence monsieur l'ambassadeur ainsi que effectivement l'ensemble des autorités religieuses, administratives, universitaires et à côté de moi l'imam Daouda qui m'accompagne ici pour euh, cette conférence. Mes remerciements aussi à Khidmatul Khadim pour avoir organisé cette journée. Je suis heureux de pouvoir faire cette conférence dans un milieu universitaire parce que simplement le nerf de la guerre ou l'engrenage de la transmission du savoir se trouve dans le temple du savoir, c'est-à-dire l'école, l'université. Et en 1925, au Sénégal, pendant que les gens vivaient l'époque toujours de la domination coloniale, l'école des fils de chefs qui réunissait à l'époque des fils de dignitaires, soit coutumiers ou religieux ou structurels, avait reçu en dissertation un sujet était ainsi intitulé. Il a été écrit sur le papier à destination des élèves une seule question, à savoir que savez-vous sur Cheikh Ahmadou Bamba Alors cette question de l'époque coloniale avait une orientation préméditée du pouvoir colonial qui demandait à ce que les élèves qui répondaient de la manière la plus galvaudée qu'ils puissent avoir la meilleure note, c'est-à-dire tout ce que l'élève peut raconter de, de, de, de, de choses à la limite euh, frustrante sur Cheikh Ahmadou Bamba pourrait avoir une bonne note. Alors, aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 et quelques années après. On repose la même question aux élèves et aux étudiants. Que savez-vous sur Cheikh Ahmadou Bamba alors, le vrai défi se trouve à l'approche d'analyse comparative entre l'état d'esprit d'alors et l'état d'esprit de maintenant. Entre le niveau de connaissance d'antan et le niveau de connaissance d'aujourd'hui à propos de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'en est-il réellement. Le sujet que nous avons proposé aujourd'hui et que nous avions démarré hier portait sur Cheikh Ahmadou Bamba, l'inspiration du soufisme pour un équilibre social durable. La problématique posée appelle à une attention parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui les gens se sont mobilisés. Mais l'islam interdit aux musulmans de s'activer sur une base aléatoire sans maîtriser l'objectif de son action. C'est-à-dire qu'il serait dommage pour vous qui êtes là, pour nous qui sommes là, de venir écouter, de manger, de boire, de discuter de bavarder et de rentrer sans en contrepartie rien avoir en termes d'information de fond. Donc l'objectif pour tous ceux qui sont là, que ce soit les hommes, les femmes, les élèves, les étudiants, chacun doit se dire pourquoi suis-je là Et si vous avez une possibilité, une opportunité de réponse à cette question, ceci mérite attention, pourquoi sommes-nous ici Vous savez, devant moi, je vois une banderole où c'est écrit Wallahu yansuruni wal khalqu fil barri wal bahri za naf'in C'est une déclaration solennelle de Cheikh Ahmadou Bamba. Il dit ceci. Dieu m'a accordé son assistance providentielle. Les créatures, tous tant qu'ils seront, me suivront sur terre comme en mer, parce qu'assurément, je suis porteur de bienfaits et exempt de préjudice. Pourquoi le message de Cheikh Ahmadou Bamba rayonne à travers le monde C'est ça la question le chef Ahmadou Bamba est apparu sur la scène politico-religieuse, structurelle, socioculturelle en 1883 dans un village intitulé Mbake À l'époque, à l'époque, l'islam était confiné dans une approche de recherche liée à une ascendance arabe à l'époque, les gens, pour se sentir bien dans leur peau de musulmans, devaient comprendre la religion à travers un enseignant de peau blanche. Et le chef, lui, investi d'une mission au même titre que l'ensemble des porteurs de voix dans l'islam avait comme objectif de pacifier les foyers de tension. Parce qu'assurément, si l'on se rappelle de façon simple la vocation de l'islam, c'est de comprendre que lorsque le prophète paix et salut sur lui est venu à la Mecque pour proposer aux mécréants de l'époque un message divin, c'est parce qu'à l'époque, les gens vivaient dans l'ignorance. Donc Dieu, quand il envoie un prophète, c'est pas simplement pour animer le décor. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour faire en sorte que les gens se démarquent de l'ignorance pour entrer dans une zone de connaissance. Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs à un étudiant c'est se démarquer de la zone de l'ignorance pour entrer dans une zone de connaissance transformée en zone de savoir. Alors, l'ensemble des prophètes qui ont eu cette mission l'ont eu à partir d'un seul message commun. C'est le message de Dieu qui voudrait que les êtres humains vivent dans l'harmonie, dans la paix, dans la compréhension, dans la cordialité, dans l'échange solidaire, à travers une mission ultime, une mission d'adoration de Dieu. L'ensemble des prophètes, que ce soit le prophète Adam, le prophète Ibrahim, le prophète Noah, le prophète Aïssa, Jésus, tous ont eu une seule mission, la mission de transmettre le message de vérité. Quel est ce message de vérité Aujourd'hui, le monde islamique se vit quelquefois de façon artificielle parce que les gens travaillent sur des choses qui ne sont pas réellement l'essentiel. Les gens sont dans la, dans la dissension, vous êtes dans le bien, vous ne l'êtes pas. Ce que vous récitez, ce n'est pas ce qui est révélable. Ce n'est pas ce qui est le bien. Moi, mon chef est le meilleur. Est-ce que vous, vous êtes un bon musulman, etc. Ça, ce n'est pas le débat du musulman. Quel est le véritable débat d'un musulman Lorsque le chef est arrivé à Mbaké Kadior, je l'ai rappelé hier, il y avait le pouvoir colonial. Il y avait les chefs coutumiers il y avait les Tchédos aristocrates de l'époque. Il y avait aussi des chefs spirituels. Et en cela, il y avait des pôles divergents, de sorte que finalement les gens oubliaient l'essentiel du message de Dieu. Et la mission du chef, c'était de faire en sorte que ces barrières soient cassées pour revenir à l'essentiel et mettre les humains ensemble. Alors, pour revenir à la question de base, qu'est-ce que le cheikh a fait Le cheikh a commencé par enseigner, non pas par la voie livresque, c'est-à-dire l'enseignement par les livres, mais l'enseignement pour atteindre le cœur, faire en sorte que le musulman sache qu'en réalité, au-delà de l'écrit, il a une approche comportementale, il a une vie il a une cohabitation avec la société, avec les semblables. Il a donc une façon, une ligne de conduite. Et c'est en cela que le Cheikh a enseigné l'islam, non pas par la récitation, mais l'islam par le comportement. Quel est le comportement islamique Le comportement islamique, c'est que le musulman, partout où qu'il puisse se trouver, puisse être lui-même un pourvoyeur de paix, de par sa conduite, de par sa capacité de d'amener les gens vers le bien et de leur éviter le mal, de par sa capacité à raffermir les liens de bien et de parenté. Et ça, ça a toujours été le message de l'islam. Et quand le cher a commencé à éduquer les gens de par la profondeur de l'âme, de par l'éducation de l'âme, le pouvoir colonial a eu peur en se disant ce chef-là, demain, il risque d'éveiller les consciences, de faire en sorte que les musulmans prennent conscience de leurs valeurs et à partir de ce moment-là, eh bien, nous perdrons notre hégémonie. Quelle est la valeur de l'enseignement qui aujourd'hui fait que partout à travers le monde, le Mourid est cité comme exemple. Que savez-vous sur Cheikh Ahmadou Bamba C'est la même question qui revient. Alors aujourd'hui, nous avons l'obligation de répondre à cette question de façon juste parce que nous n'avons plus les contraintes de l'approche coloniale et de la période coloniale. Nous n'avons plus les contraintes de la zizanie nous sommes en face de la vérité plus de 100 ans après la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, que savons-nous sur Cheikh Ahmadou Bamba Voilà la véritable question. Cheikh Ahmadou Bamba a dit ceci. Je l'ai vu quelque part. Rama Rasulullah. Le prophète a sollicité. Min ilahi auprès du Seigneur, Kaouni, que je sois Moho, son serviteur, wa Abdallah, et son esclave, Rama Rasulullahi, Min Ilahi, Kaouni Khadimoho, wa Abdallah. Il a donc été investi d'une mission de la part d'une demande expressive du prophète paix et salut sur lui. Quelle est cette mission quelle est cette mission Vous savez, il est important qu'on se retrouve pour faire la déclamation des Kassaïd. Mais encore faudrait-il comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là. Quand on dit journée Kassaïd, certes c'est important, mais il faut comprendre que la base des Kassaïd se trouve dans le service que le Seigneur a confié à Cheikh Ahmoud Bamba. Et donc les Kassaïd, même en tant que tels, constituent des outils de Cheikh Ahmadou Bamba pour l'adoration de Dieu. Il aura dit ceci Parce qu'à l'époque, le pouvoir colonial avait envoyé des espions dans la demeure de Cheikh Ahmadou Bamba pour explorer les actions quotidiennes du Cheikh. Et le Cheikh dira Je n'ai pas besoin d'avoir quant à moi des espions pour explorer leurs activités quotidiennes. Quant à moi, à les outils par lesquels je détecte les manigances du pouvoir colonial, c'est par le soufisme. c'est par le soufisme. Qu'en est-il alors du soufisme Le soufisme n'est pas un groupement. Le soufisme n'est pas un mouvement. Le soufisme n'est pas une innovation. Le soufisme est une conduite intérieure qui vise à purifier son intérieur, son cœur, son âme charnelle qui en général pousse l'être humain vers le mal. Ceci est la troisième dimension de l'islam. Avoir la foi, oui, c'est important s'activer, action, oui, c'est important, prier, faites le jeûne, allez à la mosquée, faites le monde. oui, c'est important, mais purifiez votre intérieur. Ça, c'est le soufisme. La purification de l'intérieur, c'est cet appel-là qui a dérangé le pouvoir colonial en 1883. Et le chef dira, Amarani Rabbi, be'an Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis asile et refuge et quiconque souhaite le bonheur d'ici-bas et à l'au-delà n'a qu'à se réfugier auprès de moi et ceci a dérangé et pourtant, il n'a pas fait appel aux armes. Les gens le taxent de déstabilisateur social parce qu'il procédait par l'éveil de conscience. Il migre vers Darussalam. Ensuite, il cherche un lieu. Dieu lui dit, vas-y, j'ai préparé une terre sainte uniquement pour toi, une terre par laquelle tu vas former la communauté à rester ensemble dans la solidarité spirituelle. Cette terre s'appelle Touba. Touba. Le cheikh arrive à Touba, c'était la forêt dense. À Touba, il y avait les animaux féroces qui vivaient dans une, dans une animosité impressionnante entre le lion, les hyènes, les Fakosher et le calife de l'époque de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Salih Mbake, nous raconta une histoire. Je pense que la régie a l'illustration. Lorsqu'un jour, le Fakosher était poursuivi par un lion pendant que le cheikh était en retraite spirituelle à Touba. Le Fakosher, comme c'est montré à l'écran, avait tellement peur qu'il n'avait pas d'issue. Le lion prédateur le pourchassait. Et le Fakochère, parce que simplement étant une créature divine, avait senti la présence d'un homme de Dieu porteur de paix et en qui la confiance des créatures était portée. Le Fakochère alla se réfugier, se réfugier derrière chez Ahmed Bamba. L'autre image le prouve, la deuxième image. Et lorsque le Fakosher s'est réfugié derrière chez Ahmadou Bamba, c'est Cheikh Salih Mbake qui raconte cette histoire. C'est le dernier fils à avoir été calife de Cheikh Ahmadou Bamba. Il dit ceci Lorsque le lion aperçut le Fakosher derrière le Cheikh, il a alors compris que le maître des maîtres était là. Et le Cheikh dira alors au Fakosher, Restez serein, tranquille, continuez votre course et le lion aura aussi compris que le chef des chefs était là. Alors, quel a, été, le message Le message était celui-ci, le prophète Salomon, Suleiman. Le, prophète, prophète avait le don d'avoir la maîtrise de l'air, des oiseaux, des animaux. Et un jour, il était en procession en, mission de combat avec les infidèles. Et quand il a quitté, avec l'ensemble de ses armées, il y avait des fourmis qui, parce que étant des créatures divines, avaient compris que Salomon allait, arriver et allait les écraser. Dans le Coran, allait chercher Suratul Naml, les, les fourmis, Dieu raconte. Et les fourmis se parlaient en communion en se disant Suleiman arrive avec son armée. Il risque de nous écraser tous tant que nous sommes. Alors vite, rentrons dans nos caves. L'air a porté ce message auprès de Suleiman pour lui dire, ô prophète de Dieu, n'oublie pas ces fourmis qui ont peur de tes armées. Ils risquent d'être écrasés. Ils sont entrés train d'en parler. Et Suleiman dit, les fourmis ont été tellement justes parce qu'ils ont dit Suleiman risque de nous écraser sans s'en rendre compte. Ils ne s'en rendront pas compte. Alors, comme nous savons aujourd'hui que nous avons été informés de la chose, arrêtons-nous, laissons les fourmis passer jusqu'à ce qu'ils soient à l'abri pour que nous continuions notre marche. Parce que Dieu aussi lui avait donné la force de superviser toute existence. Ce fut le cas de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a pacifié l'existence animale. Ce même Cheikh a eu comme mission de pacifier l'existence humaine. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que l'ensemble des êtres humains avait compris que oui, qu'ils devaient le suivre. C'est pourquoi il dit « Wallahu yansurni wal khalqu barri wal bahri partout où ils se trouveront ils viendront auprès de moi parce que je suis refuge ce refuge a demandé deux choses la piété par la pratique et la paix dans la conduite et le comportement donc le Mourid n'est pas un autre musulman attention le Mourid, c'est le musulman le mouride c'est celui-là qui a compris que son frère, d'où qu'il provienne, est juste un frère adamique. Parce que Dieu leur a donné entre eux une seule mission. Adorez Dieu qui vous a créé d'un seul être. Cet être-là, c'est Adam. Et de cet être-là, il, il extrait son épouse, Awa. Et des deux, il aura fait, il aura fait jaillir des générations et des générations d'hommes et de femmes. Le respect entre l'homme et la femme est une affaire religieuse. Le mari doit savoir que sa femme est d'abord une sœur de l'être adamique. La femme doit savoir que son mari est d'abord un frère de l'être adamique. Voilà ce qu'enseigne Cheikh Ahmadou Bamba. Et à ce propos-là, vous êtes égaux. Oui, mais avec des rôles différents. Ar-rijal qawwamun nissa, bima parce que ça c'est la réglementation divine. C'est Dieu qui a fait en sorte que l'homme devienne imam, que l'homme devienne époux, mais dans le fond, dans leur essence divine, ils sont des êtres égaux. Alors respectez-vous. Voilà le genre d'enseignement que chez Ahmadou Bamba donné. Et ceci a bouleversé la logique d'alors. Parce qu'en réalité, les gens ont compris que l'islam était autre chose, beaucoup plus profonde que juste la pratique artificielle. C'était d'abord de l'intérieur, faire en sorte que son âme soit purifiée dans le respect de l'autre, dans la pratique hors méchanceté, hors jalousie, hors mécréance, hors commérage, dans le respect et la cordialité. Ceci doit nous amener à comprendre que pour être musulman, il faut d'abord comprendre que l'être humain est le reflet divin. Pour être mouride, il faut d'abord comprendre qu'il nous faut quelque chose de capital, c'est-à-dire la purification de notre intérieur d'abord pour prétendre répondre à l'appel de Cheikh Amour Bamba. Donc, que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est un homme de Dieu. Voilà chez Ahmadou Bamba. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est un rassembleur. Voilà chez Ahmadou Bamba. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est un homme de paix. Voilà Cheikh Ahmadou Bamba. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est un musulman accompli. Voilà Cheikh Ahmadou Bamba. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est quelqu'un de social, de sociable. Voilà Cheikh Ahmadou Bamba. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est un être tolérant. Voilà Cheikh Ahmadou Bamba. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba C'est quelqu'un qui avait une pureté intérieure. Voilà chez Ahmadou Bamba. Et ceci a été justement déclenché par quelqu'un qui a porté aussi cette mission, Cheikh Ibrahim Fall Lamp Baba Voilà le mouridisme. Ce n'est pas du folklore. L'islam est loin du folklore. L'islam est du sérieux. L'islam, c'est toute une vie. C'est l'acceptation de l'autre malgré ses contraintes, malgré ses limites, malgré ses tares. Le chef dit ceci, et je vais passer la parole à monsieur le maire parce qu'il doit se libérer. Le chef dit ceci dans Neuf du Qada il Hajj. Wa iza shi'ta dinuka wa ka siyinun lisanuka. laa taskur bihi awrata imri'in fa indaka awratun le cheikh dit si tu veux vivre en paix dans la dignité si tu veux vivre dans la sérénité exempt de critique, alors défends ta langue de prononcer les défauts d'autrui parce qu'assurément les autres ont une langue et toi aussi tu as des défauts et donc ils peuvent prononcer tes défauts donc concentre-toi sur ton intérieur voilà le mourit. l'autre n'est pas bien le mourite n'a pas ce temps L'autre n'est pas musulman. Le mourite n'a pas ce temps. L'autre n'est pas sur la bonne voie. Le mouride n'a pas ce temps. Le mouride fait ceci. Lorsque les autres s'acharnent à détecter les vices d'autrui, occupe-toi de tes vices. Le mouride n'a pas le temps. Il va vers la purification de son intérieur. Et ça, si on le comprend quand on rentre à la maison, on dira oui, la journée Kassaïd était très bien, mais j'aurais quand même compris que j'ai quelque chose qui m'attend. C'est l'approche comportementale. Le mourite ne nuit pas, il ne fait pas du mal à l'autre, il ne lui souhaite pas du mal. Le mourite est quelqu'un qui cache les défauts des autres pour lui souhaiter du bien. Le mourite partage, le mourite est solidaire, le mourite donne le meilleur de lui-même pour assainir, pour euh, assouvir, pour atténuer les tensions, pour installer un climat de paix. Voilà le mérite. Alors que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba Telle est la réponse. Cent ans après, alors suivons le Cheikh par l'action, par l'intention, par la purification intérieure et par le bien. Ceci s'appelle l'islam. Je vous remercie. jërëjëf Cheikh Assane Mboup islamologue